Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des éléments de réponse aux questions que vous vous posez habituellement les attentes des étudiants et des enseignants des universités publiques du Niger pour une bonne reprise des cours. Tel est le thème de votre forum de ce soir. Initialement prévu pour le 1er septembre 2021, c'est finalement le lundi 13 septembre 2021 qu'aura lieu la reprise des cours dans les universités publiques du Niger. Une reprise des cours qui constitue la première organisée par les autorités actuelles en charge de l'éducation. Dans la première partie de ce forum, nous ferons le point sur euh, les préparatifs euh, de cette reprise des cours avant d'analyser dans la seconde partie les grands défis à relever pour une bonne reprise des cours et le retour de la stabilité académique dans toutes les universités publiques du Niger. Pour un débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Dr Amadou Abdelrazak, il est le secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX. Dr Amadou Abdelrazak, Bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité est Mohamedou Hashimou. Il est le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey UNON. SIG, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également invité à ce forum le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui n'a pas répondu présent. Bienvenue à vous, chers invités. Merci. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Comme euh, annoncé, débutant par les préparatifs de cette reprise des cours dans les universités publiques du Niger prévue pour le lundi 13 septembre prochain. Notons que le Niger compte à l'heure actuelle 9 universités publiques. 8 de ces universités dites publiques ont été créées par l'État et la 9 est l'Université islamique du Niger qui est une institution de l'Organisation de la coopération islamique OCI dont le Niger est membre. Faut-il le rappeler, les années académiques ne sont plus régulières au Niger. Les cours sont de ce fait interrompus souvent pendant les mois de juillet et août pour être repris en septembre en vue du parachèvement de l'année académique en cours. Il ne s'agit donc pas d'une rentrée académique qui pourrait faire démarrer une nouvelle année d'études. Docteur euh, Amadou Abdelrazak, secrétaire général adjoint du syndicat national des anciens chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX, en quoi consiste euh, une reprise de cours dans une université. Oui, merci beaucoup, Monsieur Michel. Donc, euh, nous allons parler plutôt d'une continuité, puisque euh, nous avons juste interrompu nos enseignements euh, pour d'autres missions, par exemple le bac a fait que nous avons interrompu nos enseignements pour aller faire cette mission euh, qui est encore euh, une tâche euh, qui est exécutée par les enseignants-chercheurs. Donc d'office, ce qui fait que euh, les étudiants, les personnels administratifs et techniques et les autres qui n'ont pas participé à cette euh, mission mhm. ont pu avoir euh, un petit temps de repos. Donc ce sont les enseignants-chercheurs qui président donc les différents jurys du baccalauréat. Mhm. C'est ce qui a justifié donc cette interruption. Maintenant, de retour, compte tenu du poids, euh, donc de la fatigue, du stress. Euh, nous, à notre niveau, le SNEX, nous avons demandé au gouvernement, étant que nous sommes des agents de l'État, de nous donner un mois de congé. Bon, il y a eu des pourparlers euh, et nous nous sommes euh, entendus pour une reprise pour le 13 septembre. Mhm. Donc euh, ça permet donc à nos camarades enseignants chercheurs de souffler un peu pour pouvoir reprendre le 13 en force. Donc le 13 logiquement nous allons dès 8 heures rentrer dans nos différents amphithéâtres pour euh, continuer nos cours euh, que nous n'avons pas pu achever avant d'aller à la mission du baccalauréat. Merci à vous, Monsieur Mohamedou Hachimou, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey uenoun Est-ce que vous êtes également prêt pour cette euh, reprise des cours dès lundi prochain Logiquement, nous ne pouvons qu'être prêts avec l'ensemble de nos camarades. Les étudiants de leur côté, tout comme les enseignants, ne peuvent que reprendre le chemin de la fac le 13, comme cela a été notifié par le le ministère du tutelle. Donc, mais seulement il faut notifier que cette reprise intervient dans un contexte marqué par l'exacerbation des difficultés à l'université. Mhm. Et cela se constate sur tous les plans, que ce soit sur le plan infrastructurel. D'abord, sur le plan infrastructurel, il faut notifier que la, les capacités d'accueil aujourd'hui mhm. à l'université de Niamey, et des infrastructures sont largement dépassées. Mhm. Et celles qui existent encore, les salles, manquent de façon criarde des mesures d'accompagnement. Et elles n'en disposent pas aussi et des moyens adéquats pour que les cours puissent se tenir dans de très bonnes conditions. Vous parlez d'infrastructures. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'étudiants que vous avez à l'université de Niamey, par exemple donc, euh, à la dernière statistique, si on peut évaluer, on peut dire que euh, les étudiants de l'université de Niamey sont au-delà de 30 000 étudiants. 30 000 inscrits à l'université. La statistique exacte. il y a également des, nouveaux bacheliers qui vont prendre leur inscription dans mhm. quelques mois à l'université. Et ici, on essaie de faire euh, le ratio entre la capacité d'accueil des étudiants et le nombre des étudiants, on va se rendre compte que c'est totalement absurde ce que mhm. nous avons et c'est totalement insignifiant. On voit d'ailleurs des étudiants qui partent par exemple au niveau de l'Académie des arts martiaux pour prendre des cours. En dehors de cela, si vous essayez d'aller dans les différentes facultés que nous en disposons, je vais prendre l'exemple de la faculté des lettres, d'où et donc je suis ici étant mhm. étudiant, la réalité que je connais depuis la première année et que aussi le camarade euh, secrétaire général adjoint du Bensenex euh, maîtrise parfaitement parce qu'ils ont l'habitude de faire cours dans des amphithéâtres où pour avoir accès au tableau, ils sont obligés de piétiner les pieds de nos camarades pour écrire au tableau. En dehors de cela, c'est de façon rare de trouver dans toutes les facultés de l'université de Niamey, en tout cas peut-être à l'exception de la médecine où ils ont quelques salles encore et un bon, deux amphithéâtres qui peuvent contenir les camarades. C'est devenu une habitude de voir que les camarades prennent cours assis au même le sol. Mm. Donc nous estimons qu'au XXIe siècle, dans un pays comme le Niger, où nous avons, nous en disposons généralement tous les moyens adéquats et les ressources nécessaires pouvant permettre à ce que l'État puisse euh, piloter de façon rationnelle la gestion, en tout cas étatique, pour mettre les étudiants dans les conditions aussi modestes, nous estimons que ça ne devrait pas se tenir ainsi. Donc euh, c'est pour cela, comme vous l'avez dit, l'année passée, et vous l'avez constaté de vous-même, et l'opinion nationale et internationale en était aussi témoin des conditions dans lesquelles nos camarades ont pris cours l'année passée à l'Académie des arts martiaux. Nous, nous avons estimé que c'était une décision plus ou moins optimale donc euh, de façon à ce que euh, avant cette rentrée-là que l'État puisse créer les conditions pour qu'au moins au niveau de cette faculté, que les étudiants et même la faculté puissent en bénéficier d'un amphithéâtre, au moins de 1000 places, parce que c'est la faculté et la plus grande faculté en termes de ressources humaines à mhm. l'université. C'est la faculté qui a à peu près 13 000 étudiants et peut-être cette année, elle aura plus de 15 000 étudiants. Ça, j'en suis sûr, avec les nouveaux qui feront leur entrée. Mhm. Mais très bizarrement, c'est la faculté qui n'en dispose pas un amphithéâtre de 1000 places à mhm. l'université de Niamey. L'année passée, oh, on a trouvé une solution qui était plus ou moins parallèle, de dire que ces étudiants-là de la première année, les nouveaux bacheliers de l'année 2021, feront leur cours du tronc commun au niveau de l'Académie des arts martiaux en attendant à ce que au moins un amphithéâtre puisse pousser au sein de cette faculté. Et cet amphithéâtre-là, c'est, je vous l'ai dit, c'est un marché qui a été accordé il y a presque deux ans de cela, mais jusque-là, aucune brique n'a été posée. Donc, mhm. ça veut dire que, à l'heure actuelle, la rentrée qui sera faite pour les nouveaux bacheliers de 2021-2022 sera aussi compliquée au et plus aussi complexe que celle de l'année passée. Et mhm. c'est en cela que nous, nous lançons un appel au ministère. Partout où nous partons, nous portons, en tout cas à haute voix, euh, cette préoccupation-là qui, nous tient beaucoup à cœur. C'est de voir en sorte que cette année, au moins que les étudiants puissent prendre cours dans des conditions normales que les étudiants puissent prendre cours dans des conditions normales. Monsieur le secrétaire général adjoint du Next, il dit qu'il y a des étudiants qui prennent des cours à même le sol. C'est ça la réalité oui, ça c'est une réalité que <laughs> moi personnellement je vis euh, depuis bientôt euh, 7-8 ans. Hein. Hmm. Alors euh, ce cas de la faculté des lettres et sciences humaines en ce qui concerne euh, les premières années, ce qu'on appelle le tronc commun, hmm. c'est vraiment un cas particulier. C'est un cas que l'État, le gouvernement, les autorités ministérielles, des canaux rectorales doivent examiner de près. Parce que, imaginez, on va faire cours là où c'est des spectacles qui doivent être donnés. Imaginez, l'enseignant est là en bas, les étudiants sont perchés en haut, 4000, 5000 étudiants dans une salle qui Parfois, va suivre. difficile de prendre des notes parce qu'ils ont leur cahier sur leur cuisse. Les, conditions même ne sont pas réunies. L'enseignant n'a pas de tableau hmm. pour écrire. Il n'y a pas de projection. C'est juste des supports. L'enseignant s'efforce pour expliquer. Alors, vous voyez, vraiment, comme l'a si bien expliqué le camarade SG de Lyonoun, hmm. il faut que une solution soit trouvée à ce problème. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous sommes la faculté la plus grande, la plus vaste en termes d'effectifs. Mais malheureusement, nous sommes délaissés. Mm-hmm. Là où nous sommes, nous n'avons aucun amphithéâtre de grandes capacités, 1000 places, 2000 places. Vous parlez de la faculté des, lettres, et, sciences, humaines, où vous enseignez, mais qu'en est-il également au niveau des autres universités publiques du Niger en tant que secrétaire général euh, adjoint du syndicat national des anciens chercheurs et chercheurs du supérieur Oui, en ce qui concerne les autres universités publiques, c'est vrai, le même problème euh, existe, mais avec différence. Les autres universités, il y en a qui n'ont pas de problème euh, d'effectif d'effectifs. Mhm. Il y en a qui n'ont pas de problème de salle Mais il y en a aussi qui ont vraiment un problème d'effectifs et un problème de salle de cours et les autres accessoires. Alors, partout, partout où il doit y avoir une amélioration, il faut que le gouvernement fasse des efforts pour mettre aussi bien les enseignants-chercheurs, les étudiants, que ceux qui nous accompagnent, que nous appelons les PAT, dans des meilleures conditions de travail. Et les meilleures conditions de travail, c'est d'abord les locaux que nous occupons. Imaginez, une fois que vous vous positionnez devant un tableau, vous en avez pour deux heures de temps. Vous ne pouvez même pas bouger. Il faut, comme il l'a si bien dit, hein, souvent, assez régulièrement, l'enseignant ne peut pas terminer son cours sans piétiner deux, trois ou plus d'étudiants. Quelle lecture faites-vous alors, docteur, euh, sur l'état de préparation de cette reprise des cours euh, dans les universités publiques du Niger euh, La lecture que nous faisons présentement, on se rend compte que comme si euh, aucune disposition n'est prise pour résorber, pour résoudre les problèmes qui existent déjà. Vous voyez, déjà, on parle du problème du tronc commun de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni. Mmh. Mais apparemment, rien on a besoin d'au moins, d'au moins 5 ou plus d'amphithéâtres de 1000 places. Mhm. Parce que nous avons 5000 ou plus d'étudiants en première année seulement. Mhm. Et cette année, comme il l'a si bien expliqué, le camarade SG de Lyon, vous voyez, on va avoir au moins 3000, 4000 ou plus d'étudiants qui vont venir s'ajouter, mhm. par exemple, à ceux-là qui peut-être vont reprendre encore la première année. Donc, on va se retrouver entre 12 000 à 15 000, hein. parce que cette année, le nombre de centres du baccalauréat a augmenté, le nombre de candidats a augmenté. Donc, imaginez au moins, au moins les deux tiers de tous ces admis risqueraient de se retrouver à la faculté des lettres et sciences humaines. Mhm. Alors, et dans les universités de façon Alors, si les responsables ministériels, euh, rectoraux n'ont pas pris des dispositions, ça veut dire que nous allons avoir d'autres problèmes qui vont venir se greffer aux problèmes qui existent déjà. Alors, il faut que ces responsables qui ont une parcelle de décision, qu'ils se décident à trouver rapidement des solutions à ces problèmes avant que d'autres ne viennent se greffer. Merci. Voyons à présent dans cette euh, deuxième et dernière partie de ce forum, les grands défis à relever pour une bonne effectivité de cette reprise des cours et le retour de la stabilité académique dans les universités publiques euh, du Niger. Quels sont alors euh, ces défis Monsieur le secrétaire euh, général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, UNON, Mohamedou Hachimou. Je peux dire que les défis sont énormes. Les problèmes de l'université, qui sont d'ailleurs très cruciaux, sont connus de tous, même ceux qui ne sont pas à l'université même les citoyens de la ville, quand vous interrogez quelqu'un, ou lui posez les questions selon lesquelles, quelles sont les difficultés de l'université de Niamey, il vous dira de façon banale que à l'université, il n'y a pas des infrastructures. À l'université, il y a un manque des enseignants-chercheurs qui ne sont pas en quantité. Il vous dira à l'université que les étudiants sont très mal transportés parce qu'ils voient les conditions mhm. du transport dans lesquelles nos camarades sont transportés de façon quotidienne dans la ville de Niamey. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on se dise les vérités en face. À un moment donné, il faut que nous puissions avoir à la tête de nos institutions des hommes qui agissent plus qu'ils ne parlent particulièrement au ministère aujourd'hui de l'enseignement supérieur, nous avons comme l'impression que le ministère n'en parle plus qu'il n'agit, particulièrement en ce qui concerne les problèmes des universités. Les problèmes sont connus et alors quelles sont les solutions Je crois que ces défis-là, c'est il faut attaquer, comme on a l'habitude de le dire, le mal à sa racine. Il faut apporter des solutions. Et comment les apporter Il faut que nous puissions avoir des personnes qui sont animées par des volontés de voir que les choses bougent. Aujourd'hui, les universités publiques de façon générale et même l'université de Niamey se trouvent dans un état de décomposition avancée. C'est-à-dire que toutes les infrastructures que nous avons, c'est des infrastructures qui datent du Moyen Âge. Allez-y voir les amphithéâtres, allez-y voir les salles de cours. C'était depuis les années 60, depuis les années 80, depuis les années 90, où aujourd'hui, même ceux qui sont au plus haut sommet de l'État et ceux qui ont étudié dans ces mêmes salles, alors qu'eux, ils étaient encore au nombre de 50 quand ils étaient à leur niveau. Et aujourd'hui, dans le même niveau, il y a c'est des centaines d'étudiants. Je crois que ça ne peut pas continuer ainsi. Nous avons l'habitude de voir beaucoup de nos camarades qui sont obligés d'abandonner les cours parce que même quand ils partent, ils n'arrivent pas à avoir accès à la salle. Ou vous avez l'habitude de voir quand un enseignant fait cours, une partie d'étudiants est à l'intérieur et une autre partie est au dehors. Je crois que c'est totalement inadmissible. En dehors de cela, il y a un autre défi qui doit en tout cas faire l'objet d'une discussion avec tous les acteurs. Mhm. Et je crois que quand chacun arrivera à son niveau à jouer sa partition. Parce que pour moi, si aujourd'hui je peux faire une analyse en termes de responsabilité, je peux toutefois dire que les acteurs de l'université, malgré qu'ils sont du côté des enseignants, du côté des PAT, ils sont en nombre très insuffisant, mhm. chacun fournit d'efforts pour jouer sa partition. Même les étudiants que l'on a l'habitude dans les années antérieures de taxer des grévistes, de taxer aussi des étudiants qui ne veulent pas le développement du pays et qui bloquent le fonctionnement de, de, l'enseignement au niveau supérieur, mm. vous constaterez avec nous que euh, depuis des années, ça fait au moins 3, 2, 3, 4 ans que les étudiants, que nous sommes les responsables des structures étudiantines, que nous avons même changé de philosophie, mm. de méthode de lutte. Quand nous avons des arriérés de bourse, parfois des mois, nous ne sortions pas pour bloquer le fonctionnement de l'université. Nous ne nous lançons pas dans des mots d'ordre parfois inutiles parce que nous nous sommes dit que en bloquant encore le fonctionnement de l'université avec des mots d'ordre en suspendant les cours, nous ne faisons que nous engouffrer encore dans le retard académique. Donc, c'est toujours les étudiants qui perdent. Mhm. Donc, à cela, nous avons changé des méthodes de lutte et j'estime qu'à travers cela, nous sommes en train de jouer notre partition. Du côté des anciens, de même, vous avez, moi, je connais beaucoup des anciens qui font cours, même le dimanche. Mhm. C'est-à-dire qu'ils sont à la fac 7 jours sur 7. Encore qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, je profite de cela, nous sommes avec le SGA du Ben Snex, peut-être évoquer aussi quelques cas aussi que nous ne manquons pas aussi hmm. à l'université de quelques enseignants qui bloquent le fonctionnement de certaines facultés ou de certaines sections, de certains niveaux. Hmm. Je le dis parce que nous sommes dans un système LMD. Et dans un système LMD, licence, Master, doctorat. Et dans un système LMD, c'est un système d'évaluation semestriel. Mhm. Et dans un semestre, tous les anciens qui ont fait le cours au niveau de ce semestre-là, mhm. ils peuvent tous terminer les cours, corriger les copies et afficher les notes, ce que nous appelons les PV. Mhm. Mais un seul enseignant, s'il ne le fait pas, ça impacte le travail de tous les autres anciens qui l'ont fait. Il y a donc euh, des anciens qui ne le font pas. Il y a des anciens qui ne le font pas. Je n'aimerais pas citer le nom, mhm. mais nous avons des facultés actuellement où nous avons des anciens qui ont. Bon, quelques anciens, je l'ai dit, je le précise. Mhm. Je dis que beaucoup le font et beaucoup se sacrifient pour que les choses puissent aller normalement. Mais à côté de cela aussi, on trouve quelques rares exceptions qui ne font pas, en tout cas, qui ne s'acquittent pas de leur responsabilité. Et le système LMD, c'est un système, c'est-à-dire c'est composé mhm. des éléments qui sont en train eh, de, fonctionner en inter, eh, si vous le voulez, qui agissent ensemble. Un seul élément suffit pour bloquer tous les systèmes. Donc c'est en cela aussi, vraiment, nous lançons ce cri de cœur pour que, eh, au niveau de, de l'université aussi, nous continuions à travailler ensemble pour que nous puissions trouver un meilleur système éducatif. Et à côté de cela aussi, l'État mmh. doit jouer sa partition. Parce que les acteurs peuvent être animés de toute la volonté de bien faire. Tant que l'État ne s'acquitte pas de son devoir régalien, mmh. je crois que cela ne peut pas fonctionner. Et c'est en face de quoi nous sommes actuellement. Merci. Mohamedou Hashimou, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey. Monsieur le secrétaire euh, général euh, adjoint du syndicat national des enseignants, chercheurs euh, et chercheurs du supérieur, docteur Amadou Abdelrazak, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas suffisamment d'enseignants pour enseigner dans toutes les universités publiques du Niger Oui, merci beaucoup. Ça, c'est une réalité. Hum. Franchement, nous avons besoin d'un recrutement en quantité, en qualité d'enseignants-chercheurs dans toutes nos universités. Mhm. Ça, nous le répétons chaque fois, nous demandons cela chaque fois. Euh, malheureusement, euh, il y a toujours euh, quelque part où ça ne cloche pas. Qu'est-ce qui bloque en réalité Bon, en réalité, souvent, euh, il y a des problèmes de ce qu'on appelle euh, poste budgétaire, il y a des problèmes euh, souvent de profil. On peut demander, on veut un enseignant dans tel domaine et il n'y en a pas sur le marché. Il y a tous ces problèmes-là. Donc tout ça, ça fait partie des défis que l'État doit relever. Mais euh, avant que nous ne partions à la mission du baccalauréat, si euh, mes souvenirs sont bons, euh, le ministère avait envoyé une correspondance dans laquelle il demandait à toutes les universités publiques du Niger de décliner leurs besoins sur cinq ans, mhm. que ce soit en matériel, en infrastructure, en personnel enseignant, en personnel PAT, etc. etc. Bon, chaque <laughs> trois mois ou chaque cinq mois. Oh, voilà, <laughs> donc vous voyez, nous n'est pas Oui, donc vous voyez, il y a juste souvent des décisions pour calmer les esprits de part et d'autre, mhm. mais les vrais défis, c'est le paiement régulier permanent des salaires des enseignants-chercheurs et chercheurs et des PAT. On ne peut pas comprendre. L'université Abdou Moumouni a besoin de 11 milliards pour fonctionner normalement, mais chaque année, l'État octroie 7 milliards à l'université Abdou Moumouni. Et chaque année, la subvention diminue. Mhm. Mais une université. le nombre, tout, augmente. Mhm. tout augmente, Donc vous voyez déjà là le gap. 11 milliards, on vous donne 7 milliards. Où est-ce que l'université va faire sortir les 4 milliards mhm. pour fonctionner normalement Donc il y a ce problème de paiement régulier et permanent des salaires. Il y a le problème de paiement régulier et permanent de la bourse des étudiants. Mhm. Il y a le problème de paiement régulier et permanent de l'aide sociale des étudiants. Maintenant, si ça là, l'État arrive à maîtriser ça, on peut dire que un défi a été relevé. Mais ça reste. Mhm. Il faut que l'État fouille. Il faut que l'État fouille partout où nous pouvons avoir des enseignants si l'État peut nous les faire venir pour appuyer le personnel enseignant existant. Ça va aider beaucoup. Les autres universités, c'est comme ça. Elles se sont développées elles sortent pour aller prendre dans d'autres universités pour recruter. Le Niger peut recruter un Rwandais, un Congolais, un Camerounais, une fois que c'est l'université. Quelles sont les universités ou les facultés où on a ce manque euh, d'enseignants, par exemple Toutes les facultés. Mhm. Toutes les facultés, sans exception, et toutes les universités publiques ont un besoin d'enseignants. Pourtant, nous avons des étudiants qui soutiennent leur thèse de doctorat chaque année, mais qu'est-ce qui ne va pas Alors, Pourquoi ils n'arrivent pas à devenir des enseignants Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des compétences qui manquent, euh, docteur Les compétences sont là. Mhm. Les compétences sont là. Nous avons suffisamment d'étudiants qui ont soutenu aussi bien au Niger mhm. qu'à l'extérieur du Niger. Mhm. Donc, comme je vous le disais, nous avons ce problème de poste budgétaire, il faut créer un poste budgétaire, il faut ceci, il faut cela, alors que souvent, il y a même des facilités. Hmm. Par exemple, un enseignant qui est parti à la retraite, un enseignant qui est, décédé, son poste budgétaire est là. Hmm. Une fois que l'enseignant est parti à la retraite, il suffit tout simplement d'utiliser son poste budgétaire pour recruter un nouvel enseignant-chercheur. Hmm. Si c'est le cas du décès, la même chose. Mais honnêtement, il nous arrive de perdre ces postes budgétaires comme ça, mhm. dans le vide. Donc, vous voyez, donc en dehors de ces premiers défis, il faut voir le problème des locaux. Nous utilisons des locaux de 1972, 1974, des laboratoires qui n'ont aucun matériel et pas de matériaux de travaux pour les travaux pratiques, les travaux dirigés. Rien, pas de sécurité, absolument rien. Souvent, je vous dis, même la simple craie que l'enseignant doit utiliser manque à l'université Abdou Moumouni. Donc vous voyez. Il y a donc euh, plusieurs défis. Docteur, permettez-moi de revenir sur un aspect que le SIG de l'UNO a également évoqué. Il mhm. s'agit de la responsabilité de certains enseignants, pas tous les enseignants, bien sûr, il a eu à le préciser, qui ne respectent pas certaines normes. Il a parlé notamment de la question des PV qui, lorsqu'ils ne sont pas établis, peuvent pénaliser les étudiants. Euh, pourquoi cet état de fait au niveau des universités publiques du Niger et que faites-vous pour euh, y remédier Merci beaucoup. Comme euh, il l'a si bien expliqué, le camarade SG de Lyonoun, le système LMD, c'est une chaîne. Et vous voyez une chaîne, si une seule partie de la chaîne se casse, mais c'est fini. Donc, si un seul enseignant tarde à publier son PV, il bloque tout le monde, mmh. absolument tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas de sanctions prévues euh? Tout est prévu maintenant avec les nouveaux textes. Et nous-mêmes, au niveau du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, ça fait euh, pratiquement 5, euh, voire 7 ans qu'on a pris la question à bras le corps. Nous-mêmes, dans certaines facultés, si on nous saisit des cas comme ça, nous interpellons l'enseignant et nous l'intimons de publier ses résultats à temps, faute de quoi, même au niveau du syndicat, nous avons quelques sanctions qui sont prévues. Et au niveau des textes, il y a des sanctions qui sont prévues. Par exemple, on peut retirer cet enseignement à l'enseignant ou euh, d'autres sections. Maintenant, avec les nouveaux textes qui régissent le corps des enseignants-chercheurs, il y a des sanctions prévues pour tous ces cas de figure. Il y a des étudiants qui disent même qu'il y a des enseignants qui chôment, entre guillemets, pour utiliser le mot parfois utilisé, c'est-à-dire des cas où il n'y a pas de grève des enseignants, mais qu'on constate des enseignants qui ne viennent pas pour dispenser leurs cours. Oui, nous sommes des humains. Mm-hmm. Euh, certaines fautes ne manquent pas. Mm-hmm. Maintenant, euh, chômer volontairement, euh, nous pouvons l'avoir, nous ne pouvons pas nier cela, mais il ne faut pas oublier, nous avons une faculté, plus précisément à l'université Abdou Moumouni, où le cas est flagrant. Mhm. Et cette faculté, la plupart de nos camarades, ils sont utilisés encore ailleurs, mais là où ils sont utilisés, on ne peut pas les décharger de leur euh, euh, nouvel emploi, mhm. encore moins de leur tâche d'enseignants. Mmh. Donc, vous voyez, c'est là que le problème se pose. Parce que si on arrive à faire la part de choses, un enseignant qui a été nommé à un poste de responsabilité, par exemple, les textes prévoient des décharges. Mmh. Alors, si les décharges sont appliquées, par exemple, l'enseignant, s'il a deux ou trois enseignements, on le laisse avec un seul enseignement là, avec un seul enseignement, il peut valablement terminer son cours, faire ses évaluations et proclamer à temps. Mais si on le laisse avec toutes ses charges, il va continuer à être surchargé et évidemment, le résultat, il ne pourra pas répondre à l'heure là où on a besoin de lui. Mhm. Donc vous voyez. Donc au niveau des programmations, il y a beaucoup de choses à corriger. C'est ce que vous pensez, docteur Amadou Abdelrazak, secrétaire général adjoint du hmm. Oui, Mohamedou, vous ah. êtes, euh, je rappelle, le secrétaire général euh, de l'UNON. Oui, Mohamedou Hachim. Donc je disais que je dis, moi je dirais le nom, hein, c'est la FSIP, la, mhm. faculté des sciences juridiques et politiques où on enseigne le droit. Donc c'est là-bas que c'est l'exemple là que le docteur venait de citer. Mhm. là-bas c'est une autre réalité, hein. <laughs> c'est la curiosité planétaire. Les étudiants viennent sans voir leur enseignant, sans rien faire. Ça c'est de façon quotidienne. Il y a mhm. beaucoup de cas que nous allons d'ailleurs revenir là-dessus et que nous allons soumettre et au SINEX et aux responsables mhm. académiques et même politiques pour que les gens puissent savoir exactement ce qui se passe là-bas toutes les mhm. façons. Et euh, dans l'espace de quelques jours, c'est la reprise des activités académiques et c'est des questions que nous allons toucher du doigt. Mhm. maintenant, pour Je compléter... mon secrétaire général de l'UNUN, alors est-ce qu'on peut dire que vous avez des revendications particulières par rapport à cette reprise des cours euh? Nous avons euh, beaucoup de revendications. Mhm. À travers notre plateforme revendicative que nous avons établie il y a presque quelques mois de cela et la plateforme revendicative dans laquelle nous avons évoqué un certain nombre de préoccupations. Quelles sont euh, les plus grandes euh, ces préoccupations Nous avons évoqué le recrutement des anciens chercheurs mhm. en quantité à l'université de Niamey pour qu'ils puissent encadrer les étudiants mhm. parce que le ratio que nous avons à l'université, je ne sais mhm. pas s'il existe encore ailleurs parce que euh, selon les normes internationales, un enseignant normalement, il a le nombre des étudiants à encadrer, mais à l'université de Niamey, ce n'est pas le double, je crois que ça doit être le triple mm. de ce que l'enseignant encadre. Donc, mais malheureusement, à l'université de, de Niamey, et c'est pareil dans toutes les universités publiques du Niger, mm. on recrute un enseignant que quand un autre est décédé ou un autre est parti à la retraite. C'est la triste réalité. On ne recrute que quand il y a eu un mort un ancien est décédé, on va lancer un appel d'offres de recrutement. Et en dehors de cela aussi, nous avons aussi besoin de PAT. Dans notre plateforme revendicative, nous avons eu à discuter avec un cadre de dialogue que nous avons avec les différents partenaires et nous avons eu à faire certaines propositions. En dehors de cela, nous avons évoqué un autre aspect qui est assez important à ce 21e siècle, c'est les NTIC. Mhm. Donc, les nouvelles technologies d'information et de mhm. communication. Qu'est-ce que l'État peut faire dans ce sens L'État doit créer toutes les conditions pour que aujourd'hui dans nos universités publiques qu'il y ait de l'Internet. C'est la chose aujourd'hui au XXIe siècle la plus banale. Il n'y en a pas à l'université de Niamey. Il y a des espaces où le wifi est gratuit à l'université de Allez-y voir comment les étudiants sont accrochés au mur pour se mhm. connecter. Parfois, il faut venir tardivement et c'est un seul endroit que vous connaissez certainement, mhm. c'est au campus universel, le campus social. Mhm. Et c'est le seul endroit où, à ma connaissance, il y a actuellement un Wi-Fi qui est encore mhm. fonctionnel. Alors que je crois ne sont que, pas tous les étudiants. Je crois que ça, là, c'est le summum de la médiocrité. L'université, aujourd'hui, à l'université, l'Internet ne doit pas être un luxe. C'est la chose la plus banale qui devrait exister à l'université parce que ça permet le système LMD exige des efforts personnels de l'étudiant. Mhm. Et aujourd'hui, l'étudiant ne peut pas développer ses capacités intellectuelles. Tant qu'il n'a pas fait des recherches. Mhm. Et pour faire des recherches, il a besoin de la, connexion. Cas, de la connexion. Et les médias coûtent cher. Et vous savez comment sont les compagnies téléphoniques. Je ne Je pas revenir là-dessus. Mhm. Et encore le plus pire, nous n'en disposons pas jusqu'à l'heure actuelle d'une bibliothèque centrale de l'université. alors mhm. Alors qu'ailleurs, la bibliothèque, c'est l'âme d'une université. C'est ce qui permet, en tout cas, aux étudiants et même aux enseignants de développer des connaissances et faire des recherches scientifiques. Mhm. Mais malheureusement, à l'université de Niamey, nous n'en disposons pas. Ça, je parle un peu de l'aspect académique. Mhm. Maintenant, pour revenir et par rapport aussi à l'aspect social, parce que c'est deux réalités qui évoluent ensemble. Mhm. Si l'aspect social a un dysfonctionnement, ça impacte sur l'aspect académique. De même que du côté académique, quand il y a des difficultés, c'est normal que nous puissions effectivement aussi constater. Aujourd'hui, à l'université de Niamey, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de nouvelles constructions en mhm. bâtiment. Et c'est des façons aussi, si vous voulez, pour vous en convaincre, l'État doit construire des bâtiments, des logements. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui mhm. avec des bâtiments qui sont extrêmement saturés. une chambre, qui, une mhm. chambre qui mhm. doit contenir normalement deux étudiants, vous partez vous retrouvez 10, 12, Merci. Parfois, au-delà, je crois que l'État doit agir et de façon urgente. Au niveau de l'UNON, l'État doit donc agir de façon urgente. C'est votre souhait. Docteur Amadou Abdelrazak, euh, secrétaire euh, général adjoint du syndicat national des anciens chercheurs et chercheurs du supérieur, les autorités issues des élections générales de 2020-2021 ont à plusieurs reprises réitéré leur engagement à faire de l'éducation une de leurs priorités. Que peut faire selon vous le gouvernement à court, moyen et à long terme pour mettre fin à la récurrence des retards académiques dans les universités publiques euh, du Niger, de votre point de vue Merci beaucoup. Ce que le gouvernement gouvernement peut faire à, court terme, honnêtement, c'est le paiement régulier et permanent des salaires des enseignants-chercheurs des PAT et du personnel universitaire. Le paiement régulier permanent des bourses des étudiants. Le paiement régulier permanent de l'aide sociale. Ça, c'est à court terme. Mhm. Et à court terme encore, il ne faut pas oublier le petit matériel, la craie, le papier, euh, les encres, etc., dont nous avons besoin quotidiennement. Tout ça, c'est à court terme. Maintenant, à moyen terme ou sinon même à court terme, le gouvernement ou les autorités actuelles doivent rehausser les subventions des universités publiques. Mhm. Comme je vous le disais, une université ne peut pas exprimer un besoin de 11 milliards et on lui donne 7 milliards mm. pour fonctionner. C'est pas possible. Maintenant, toujours à moyen terme, hein, vraiment la construction des salles de cours de grande capacité. Ça, il faut que les autorités actuelles s'y penchent mm. parce que les conditions dans lesquelles les cours se font maintenant, c'est vraiment pas méthodique, ce n'est pas pédagogique. Et peut-être à, long terme, euh, long moyen terme, puisque si nous disons long terme, c'est très très très loin, nous avons besoin vraiment de cadre idéal. Et ce cadre idéal, c'est faire en sorte que les enseignants-chercheurs, les étudiants, nous puissions bénéficier de la recherche. C'est comme si la recherche est karma mise de côté aujourd'hui. Vous savez, nous, les enseignants-chercheurs, nous avons droit à ce qu'on appelle les voyages d'études. Actuellement, à l'université Abdoumoun de Niamey, ce voyage d'études, on n'en parle même pas. Ça fait pratiquement deux ans, on ne parle même pas de ce voyage d'études. Alors que c'est un droit et c'est au cours de ces voyages d'études que nous partions nous ressourcer en recherche et revenir produire nos différentes publications scientifiques. Mm-hmm. Donc, vous voyez, vraiment, il faut que l'État, le gouvernement, les autorités actuelles s'investissent davantage pour les universités publiques du Niger. Si donc là vos différentes euh, revendications, on vous comprend bien. Docteur, euh, peut-on parler de la fin du bras de fer qui vous oppose au gouvernement sur la question de l'élection des recteurs Bon, Dieu merci, euh, de ce côté, toutes les universités publiques du Niger qui remplissent les conditions d'élection, les mmh. élections se sont passées dans de bonnes conditions. Donc euh, à ce niveau, vraiment, on peut parler de fin de bras de fer, puisque c'est un droit que nous avons arraché de haute lutte. On a failli nous retirer ça, nous nous sommes battus et les autorités actuelles nous ont compris et nous ont restitué notre droit. Euh, vraiment, Dieu merci, nous avons maintenant nos responsables élus à tous les niveaux. Merci. Merci. Mohamedou Hashimou, secrétaire euh, général de l'UNUN, l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey. Comment envisagez-vous accompagner l'État dans la bonne marche de l'enseignement supérieur au Niger Nous, nous avons euh, toujours exprimé notre bonne volonté et notre ferme disponibilité à accompagner l'État parce qu'en accompagnant l'État, nous nous accompagnons nous-mêmes. Et nous avons toujours été disponibles pour accompagner l'État, en tout cas euh, là où cela nécessite à ce que nous le faisons, et euh, dans la volonté également de l'État à pouvoir œuvrer dans le sens de faire bouger les choses. Mm. Mais ce que nous n'allons pas accepter et ce que nous avons toujours décrit c'est que nous n'accepterons pas et nous n'accepterons jamais euh, des promesses euh, sur le fond, en tout cas, de démagogie mhm. et également des promesses, euh, farfelues qui n'ont jamais été euh, faites l'objet de prise en compte de nos revendications. Ça, nous avons dit que nous allons rester très fermes là-dessus, tout en réitérant notre ferme disponibilité aussi à accompagner non pas seulement l'État, nous avons également à travers notre structure, IONUN, même euh, les syndicats avec lesquels ou les différents acteurs avec lesquels nous partageons le même environnement, notamment le SNEX et notamment aussi les syndicats des PAT. En tout cas, nous avons euh, fait euh, un élan pour aller vers eux et échanger. Ils ont été aussi d'une oreille très attentive à notre égard. Le SNEX section Niamey avec lequel nous avons aussi échangé et pour voir dans quelle mesure ensemble, nous allons eh, pouvoir attaquer les réels défis de l'université, apporter des solutions pour que notre université puisse marcher, en tout cas dans de très bonnes conditions. Merci à vous, chers auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème les attentes des étudiants et des enseignants des universités publiques du Niger pour une bonne reprise des cours. Nous retenons que les enseignants et les étudiants sont prêts pour cette reprise des cours prévue pour le lundi 13 septembre prochain. Ils exigent cependant des autorités une prise en compte de leurs revendications. Ces revendications, vous les avez entendues, elles sont nombreuses. Il s'agit entre autres des problèmes liés aux infrastructures, des problèmes de transport, des problèmes en lien avec la disponibilité des enseignants et d'autres problèmes énumérés par le SNEX et l'UNUN que vous avez écouté tout au long de ce forum du studio Kalango. Nous étions en compagnie de Dr Amadou Abdel Razak. Il est le secrétaire général adjoint du syndicat national des anciens chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX et de Mohamedou Hashimou. Il est le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, UNUN. Nous avons également invité à ce forum le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui n'a pas répondu présent. Merci d'avoir accepté notre invitation, chers invités. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation de ce forum à la technique Seinesaka. Excellente soirée à tous et au revoir.